par l'État du Sénégal dans le but de recaser de déguerpis du centre de Dakar n'est pas le Guédouaï d'aujourd'hui. Et le Guédouaï de demain sera encore plus moderne. Guédouaï sera une ville émergente comme le dit Anouaou. Guédouaï est l'une des villes aujourd'hui les plus éclairées. Ela une voirie ay tali fi yu bees yu bare VDN baa ci jaar ci ginnaaw bu dem donc Guédiawaye waratul ko tuddee banlieue c'est devenu une ville moderne c'est une ville où il fait bon yu ma am yu bees ambition bi ma am pour Guédiawaye

boobu sorte jam de lañ koy tabax loolu war a nekk bërëbu fajukaayu cancer xeetu cancer bu ne ñeent fukki ak juróom-ñett lañ fi def mais dinañu def le pôle mère enfant pour mu également un pôle d'excellence ci Sénégal yëpp dama la ngeen ma waxoon aussi jëm ci cimetière yi 8 hectares pour le cimetière musulman 4 hectares pour le cimetière chrétien dont les murs sont en train d'être réalisés. Nous ma ci bëgg a yokk ci avenir pour la jeunesse de la Tahawal centre de formation professionnelle de Magamagama, de la Tahawal aussi une antenne de l'université virtuelle du Sénégal muy espace numérique Dans danañ fi dans le pôle de l'université de Anta Diop ñu 44 ko UCAD 4 un pôle de recherche et d'innovation fii de Guédiawaye le lycée de Mamoulaye a formé des générations de cadres. Nous ramenons même sur le gouvernement a au moins deux à trois ministres qui ont été formés ici dans ce lycée. Lycée doit nous moderniser, nous tabacat pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc, nous mettons le lycée de la André, dans un pays, il y a day y waaye que fu ku ne bëgg de dëkk si ci la sécurité am de nouveau commissariat qui vont démarrer bientôt pour renforcer la sécurité dans le am ngeen un réseau d'électrification de l'éclairage public de 2 milliards et demi également pour Guédiawaye pour la sécurité vie. Le Guédiawaye fait aussi promouvoir l'Italie à assainissement à voirie pour 27 km de route dans le quadriller l'ensemble de la ville à travers les cinq communes de Guédiawaye Dans le cadre de la réhabilitation 300 unité 1 de unité 6 du Pasteur élargir le tracé Son canada marché du Besse. Réhabiliter l'avenue Abdou Mbaké. Réhabiliter la section rond Casby de Cité Faisal. Réhabiliter Transform pharmacie golf VDN Mosolé. Tabac Yoni Besse en palais sur commune Sam Nader, Ndiarem Limamoulay, Wakinan Golf réalisation d'aménagement paysager, installation lampadaires solaire sur tous les trois axes routiers de Guédouaï pour 1,6 milliard. Pour la jeunesse, réhabiliter nous déjà, réhabilitons nous le stade Amadou Bari, entièrement rénover le stade Ndarem Limamoulay pour 1,3 milliard comme Guédouaï, Yakarnani, yéen desu de accompagné accompagner de le Les plan Sénégal émergent de et Parana, pour le premier tour pour que nous continuions liggéey bi de On au lieu d'aller vers une aventure sans lendemain alors oui nous allons poursuivre la modernisation du transport ici à Guédiawaye avec le BRT pour 262 milliards de francs et la construction et la rénovation de l'ensemble du réseau routier de Guédiawaye loolu Moïta la VDM 3 de Maroc, un golf de Pérou par un quasiment les travaux d'aménagement et d'élargissement de la route de Niayes yi continuer de ma Engagement, nañu Comme comme sera aussi une ville verte Madame, de Kouba xam de danañ de ay c'est pourquoi de def reboisement ngeen am votre bois ici à Guédiawaye le Guédiawaye du futur que je vais dessiner avec vous chère population de Guédiawaye sera un Guédiawaye innovant et créatif loolu mooy dëkku sport la gis nañ ko ci Balla Gaye dëkku culture la gis nañ ko ci léegi ak les autres artistes de Guédiawaye dinañu dinaa jëli Guédiawaye def ko ville test pour le programme ville créative bi nga xam ne moom lay entamé à partir du mois d'avril les cultures urbaines xale yi danañ si mën a am suñu liggéeyee ñu jàppale leen ci loolu dans tous les centres urbains adhérents au je propose que nous célébrions tous les mois weer bu ne une journée rue ouverte maanaam koñ bu ne dinañ xool nu ak nu ñu koy toppatoo ci wàllu aménagement au cœur de chaque ville weer bu nekk danañu mën réserver un espace piéton qui sera ouvert aux talents de la cité autrement dit weer wu ne dinañ jël benn koñ benn ñu jël artistes yi bi ñu xool ñu koy agrémenté ba delloowaat dëkk bi benn créativité.